Voilà euh, ce qui s'est passé aujourd'hui euh, chez moi au 95 52 Sacré-Cœur 3, euh, Sacré-Cœur, c'est qu'un individu s'est permis de s'infiltrer dans mon véhicule en plein jour. Il a été appréhendé par les éléments de ma sécurité qui, après fouille, ont découvert que c'était un policier il détenait par devers lui une carte de police en bonne et due forme avec un numéro de matricule. Et on l'a interrogé il a confirmé qu'il appartenait à la DST. La DST, c'est la direction de la sûreté du territoire. J'ai fréquenté la DST euh, il y a des années de cela. Et quand on lui a bien demandé qui l'a envoyé, il a dit qu'il était là sur instruction de ses chefs et il a dit qu'on lui avait demandé de se rapprocher d'un véhicule immatriculé DK4102AP. Il a même décrit le véhicule comme étant un véhicule de marque BMW. ce véhicule, effectivement, m'appartient. Et il a refusé de dire c'était quoi l'objet de sa mission. Ce que je voulais dire, c'est la raison pour laquelle j'ai appelé la presse, et c'est la raison pour laquelle moi-même je l'ai fait conduire à la section des recherches de la gendarmerie, c'est parce qu'il y a une volonté manifeste des autorités de ce pays de m'arrêter. Je voudrais dire à toutes ces personnes qui sont obnubilées par Barthélémy Diaz, je n'étais pas candidat à l'élection présidentielle. Je le dis et je le répète, cette élection a été volée, c'est la vérité. Il n'y a pas eu de vainqueur dans cette élection. Le seul vainqueur de cette élection, c'est le peuple sénégalais qui a su faire preuve de maturité et qui a su faire preuve de dépassement. Depuis la proclamation et un peu avant la proclamation des résultats, il y a des tentatives manifestes venant de la part du pouvoir de chercher à me neutraliser. Vous avez tous vu que lors de la proclamation provisoire des résultats, un enregistrement sonore circulé sur les réseaux sociaux me prêtant une voix qui n'était pas la mienne, appelant à l'insurrection, avec un seul et unique objectif, me faire arrêter. Il a fallu que je fasse un démenti cinglant et en demandant aux populations de faire la différence entre ma voix et celle voix qui m'a été prêtée. Et j'ai indiqué effectivement que c'était dans le but de m'arrêter. Alors aujourd'hui, <coughs> on se permet <coughs> d'envoyer des gens chez moi, s'infiltrer dans mon véhicule. Ceux qui sont, ceux qui avaient en tête de faire, j'ai pas besoin qu'on me fasse un dessin. Je veux que les Sénégalaises et les Sénégalais sachent que s'ils entendent demain que j'ai été arrêté sur l'autoroute à péage, sur la corniche ou n'importe où et que dans mon véhicule, on a trouvé de la drogue ou des armes à feu ou des documents allant dans le sens euh, d'une insurrection ou d'un coup d'État, qui sache que ce n'est pas moi. Je ne suis pas un homme violent, mais je ne suis pas un poltron non plus. Je ne suis pas un homme qui me laisse faire. Maintenant, je confirme que je déposerai plainte contre la DST et son chef. Parce que je viens d'être saisi par le commissaire de Djopel qui m'a confirmé elle-même qu'elle a été saisie par la DST. La DST a demandé au commissaire de Djopel de se déplacer chez moi pour bien vouloir extraire un élément de la DST qui semblerait serait séquestré chez moi. Je n'ai jamais séquestré personne. Mais je voudrais m'adresser à tous les policiers, à tous les gendarmes aussi. Je ne parle pas des hauts gradés, je parle de ceux qui sont sur le terrain. Qu'ils surveillent mon domicile, je suis d'accord que c'est leur travail. Qu'ils me suivent et qu'ils me filent, je suis d'accord que c'est leur travail. Mais que les gens se permettent de venir chez moi, de rentrer dans mon intimité, de se permettre de s'infiltrer dans mon véhicule, je préfère le dire haut et fort. La prochaine fois, ils n'auront pas l'occasion d'être conduits à la section des recherches. Ils n'auront pas l'occasion d'être traduits ou d'être conduits devant une quelconque autorité que ce soit. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est exactement comme cela que se comporte un vulgaire voleur tous les Sénégalais savent quand on attrape un voleur ce qu'on en fait. Je, m'arrêterai là. Qu'est-ce que vous comptez faire Je m'arrêterai là. dans la vie, toute chose a une limite. Toute chose a une limite. Que les gradés, particulièrement de la police, arrêtent de faire dans le zèle. Ça ne sert à rien du tout qu'ils arrêtent de faire dans le zèle. Si les gens aujourd'hui cherchent coûte que coûte à m'amener en prison, eh bien, je leur demande de chercher les voies et moyens de m'amener en prison. Mais je veux que les Sénégalais sachent que je ne suis pas un bandit. Je ne suis pas un homme violent. Et je ne suis pas un homme aujourd'hui qui est animé par une quelconque volonté de vouloir déstabiliser son pays. Je réfute les résultats de l'élection présidentielle qui relèvent d'un vol. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne reconnais pas ces résultats. Et personnellement, je considère aujourd'hui que le Sénégal est un pays qui est en mode autopilote, pilotage automatique. Je lis à ça, mais je voudrais que les choses soient claires. Ces choses qui consistent aujourd'hui à vouloir intimider, à vouloir verser dans l'intoxication, à vouloir coûte coûte coûte aujourd'hui me faire arrêter en prétextant des, des choses qui relèvent d'un autre monde, d'un autre âge, ce sont des choses à dénoncer et ce sont des choses à combattre. Mm. Et j'espère que la gendarmerie saura traiter cette histoire avec objectivité. Dans le cas contraire, nous ferons ce que nous avons à faire. Déjà, la plainte sera déposée contre cet, individu et contre le chef de la DST. Elle sera déposée aujourd'hui. Parce que la DST aujourd'hui n'ose pas venir récupérer ce gars devant chez moi. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas et c'est eux qui l'ont envoyé. C'est eux qui l'ont envoyé. Et la carte de police, nous l'avons pas vers nous. Euh, la vidéo, les photos de de cet agent de la DST aussi, nous les avons. Et je rappelle que cet agent de la DST, c'est un Sénégalais comme moi. Et j'ai fait en sorte que son intégrité physique soit vous allez euh, porter contre la Mais nous allons porter plainte contre le chef de la DST. Ce sont des pratiques qui ne, mais qui, peuvent pas être aujourd'hui acceptées dans une république qui se respecte. On ne peut pas aujourd'hui dans une république qui se respecte chercher par des moyens qui sont antidémocratiques, des moyens illégaux, à chercher vaille que vaille aujourd'hui à vouloir mettre les leaders politiques en prison. Moi, je n'étais pas candidat à l'élection présidentielle. Et pour ceux qui sont omnibulés par la prison, je l'ai dit et je l'ai répété, la prison, c'est le cadet de mes soucis. Mais ce que je ne peux pas accepter aujourd'hui, je suis père de famille, je suis responsable politique. Un coup, on fait un enregistrement me prétend une voix qui n'est pas la mienne, appelant à l'insurrection pour m'arrêter. Un autre coup, on s'infiltre dans ma voiture. Après un autre coup, l'objectif, c'est de chercher à m'arrêter, à me mettre en prison.

ñu ne ma waaji daal dafa duggoon sa oto ñu jàpp ko ñu génne benn carte police wan ma ko ma xool waa ji ma ne ko yow yaa moom carte bi mu ne man maa moom carte bi ma ne ko yow policier nga mu ne man policier la ma ne ko fan ngay liggéey mu ne man damay liggéey DST comme daanaka man dama leen min ñoom ñëpp min naa waa DST min naa waa sûreté urbaine min naa waa DIC naa waa BAC man dama leen ñoom ñëpp ma ne ko mais DST kana la fa yónni yow mu ne ma diw ma ma fa yónni ma ne ko lu la diw boobu laaj nga def mu ne ma daf ma ne tey naa ñëw ci oto DK 41 02 AP te su ma duggee ci su ma ñëwee ci oto bi daal nan naat naa dugg ci oto bi effectivement oto bi day gaaree su buntu kër te su ma chauffeur suy xëy le matin day fomp oto bi wante day toog ci buntu kër gi donc oto bi kenn du ko tëj mais comme oto bi dafa am ay vitres teintées kon soo duggee ci oto bi ci beneen côté bi kenn du la gis waa ji dugg ci oto bi kon su ma dëkkandoo ñoo ko gis daal di. woo ñu toog sa buntu kër ñooñu daal di jóg jàpp waa ji waa ji nag buñ ko jàppee bëggul wax lan mooy mission dama ne. biik rek donc dugguñu si kër gi si oto bi lañu yem. dañu yem ci oto bi wante am na ay yeneen oto yi nga xam ne ñu ngi circuler ci koñ gi ay L200 lañu ñuy circuler ci koñ gi te ñun ñun ñun xàmme nañ policiers parce que yàgg nañ ak ñoom te ñoom sañu ñu taxaw wante policier bi kenn defu ko dara kenn laalu ko. wante moom tamit bëggul wax lan moo nekkoon mission am dama ne ñu ma bëgg a jàpp nam ma ci man euh, jël ma yóbbu ma ci kaso bi ñoom ñoo jógoon biik rek ba ñuy commencé di joxe résultat provisoire yi ñoom ñoo jogoon daal di daal di génne benn baat enregistrement teg ci benn baat bu xaw ñu doo ak suma bos ne man daanaka maa ngi woote fitna Sénégal pour jéem a xool nu may jàppee dugal ma ci kaso bi dama ne su baat ci kaw man du ma bandi du ma ñitu fitna musuma woo musuma woote fitna senegal wante bañkat laa te dinaa bañ ba abadan loolu mooy dëgg bu ci tegu lu leen fi indi woon ñoom tey mooy def ñaaw teef suma biir oto ba nga xam ne ni suba su ma génnee fii ñu ne jàpp nañ Barthélemy dañ ko arrêté ci oto bi dafa am drogue wala ci oto bi dafa am ay gànnaay

ku leen di yónnee suma kër bu ñu fi ñëw parce que fii ku fi indi jàmm fekk fi jàmm ku fi indi leneen fekk fi leneen parce que am na lu ngeen xam ne ni kenn du toog di ko seetaan ragal dëkku fi te lu lu mu leen bëgg a wax mu leer seen bopp bu beneen yoonee du ma fi jël benn policier di ko yóbbu police wala gendarmerie du ma ko fi def parce que dama ne koñ bii fu ma fi dëkk sàcc bu ñu fi jàpp sàcc bu ñu fi jàpp di nga tal leneen que ñu lay jël di la yóbbu police wala yóbbu parce que lii lu policier bi def tey nii loolu mooy doxalinu sàcc mooy taxawaayu sàcc te nag ku gis nen ne nen a ngoog te loolu mooy dëgg falaa yem ci wax ci damay bañ nag ëllëg ñu ne am na ku ngeen xam ne ni ñëw na buntu kër Barthélemy Dias def na lii doo nañ ko ba mu dee dama bëgg wax bi leer am na lu ngeen xam ne ni kenn du ko fi nangu du ma nangu man daal nangu naa policier di topp suma oto nangu naa leen nangul naa leen ko seen liggéey la nangul naa leen tamit ñuy toog ci bopp koñ gi di surveiller kër gi parce que seen liggéey la ñuy liggéey nangul naa leen ko nangu naa tamit may dem ci ay xew ay manifestation ñu ma ciy topp nangul naa leen ko tamit wante nanguma benn policier di dugg suma kër wala di dugg suma oto loolu bés bu amatee suma baat ci kaw dinañ mere ku leen deful dara falaa yëm ci wax ci waaw te lu ma bëgg woon tamit yokk ñoom waa DST suñu demee ba jël seen téléphone téléphoné commissaire jëppal commissaire jëppal woo ma téléphone ne ma da ngeen am benn élément DST bi ngeen jàpp seen kër man maa ngi nii di ñëw ak sumay élément pour jël élément DST bi loolu day firndeel na ni que ñoom seen bopp xam nañ ko lu ñuy def ñawteef la parce que ñoom waa DST ay policier la ñu soxluwuñu woo waa jëppal pour waa jëppal ñëw génnee fii seen benn élément ñoom ay policier la ñu kon normalement suñu ñëwee suñu buntu kër te nekkuñu ci ñaawteef wane seen carte ne lii moo ñu fi indi normalement ñun suñu nekkee tamit ay citoyen noonu nañ leen nangul tamit seen ay tànk wante xam nañ bu baax que lu ñuy def ñaawteef la moo tax ma ne lii bés bu amatee dinañ tal leneen que nekk fii di ne dañuy téléphoné ay jëppal ak dañuy xool fan la seen élément nekk parce que nag ku jàpp sàcc ku jàpp sàcc fii Sénégal dafa am lu nga xam ne ni sa cosaan ak sa aadama moo ko may waaw kon monsieur le yow balaay police di ñëw maanaam balaa ngay woo policiers yi fekk na mais parce que ñoom seen bopp ñoom ñi ngi woon ci koñ gi. Ah, ñoom ñu ngi woon ci koñ gi policiers yi. kon mais am nañ seen benn L seen am nañ benn Toyota Hilux bu bleu am nañ benn Toyota L200 bu weex nangul naa leen. ci ot ci ci euh, Toyota Hilux bu bleu bi ñetti policiers ci nekk L200 bu weex bi ils sont à peu près ñu ngi circuler. au total

mu leen expliqué ngeen gis suma oto garé ci buntu kër gi ngeen ne da ngeen di ubbi suma oto la preuve oto bi tejuñu ko parce que mais oto bi mi ngi garé suma buntu kër suma chauffeur ngi ci buntu kër gi suma gardien ngi fi suma suma garde ko ñep ngi fi waji daldi dem dikat demat dikat ba wut yoon ba dugg ci oto bi may wax ak mom mu ne ma man dañ ma jox numéro oto bi ne ma DK 4102 na ci dugg na fekk diw ci bi oto bi ñom suñ fi ñëwé bachu khalifa sall ñi ci ko kër gi ñoom ñëpp xam nañ ko kër gi ku fi dëkk opposant la te ku fi dëkk tamit des politiques xam nañ ko waaw maintenant nag comme ñoom nee nañu maintenant daanaka ci gàttal am nañ sañ-sañ def leen neex su ma baat ci kow na keneen juumaat bene ne day dugg suma oto wala dugg suma kër fa ngeen di gëjj a dugg kër jàmbur ak fa ngeen di gëj a dugg ci oto jàmbur parce que am na lu ngeen xam ne ni kenn du ko fi nangu génne ngeen fi benn enregistrement sonore teg ci benn baat ñëpp xam nañ que lii du baatu Barthélemy Dias bëgg a dëkkaloo Barthélemy Dias su mu dëkkul ndax lan bëgg a dugal Barthélemy Dias ci kaso gi yàlla def ci sutura doyul nga ne maintenant ñu ngi jéem a xool nu ñuy galgal Barth dugal dara ci këram wala dugal dara ci otoom pour ëllëg ñu ne lii Barthélemy Dias moo ko def moo tax ñu jàpp ko dama ne dama bëgg Sénégalais yi déglu ma. jàmmalaay dox nitu jàmmalaa ne keneen juum laa wax ba duggaat suma oto wala duggaat suma kër dina xam faalewuma policier faalewuma masamba faalewuma mademba fii suma kër la te suma oto suma oto la fa laa jëm nag ci wax ci voilà.